Un petit texte numéro 1. Désolé mon ami, je n'ai pas de numéro de téléphone pour toi, ce ça, ne pas appel à toi. Et le numéro 2, ce tu n'as de numéro de téléphone, tu as envoyé à moi. Le numéro 3, oui, Moyenne a de numéro de téléphone, je envoyé à toi, super. Je bois, à toi mon ami, très bien, à toi, je répète à toi le numéro de téléphone 04 26 78 69 60. Ce sage appelle à toi. Dans une minute. Et numéro 4. Allô allô. À toi mon ami. Comment tu vas je vois. À toi point je espérais bien à toi super à toi mon amour. Tu appelles à moi après. Domaine au matin tu appelles. 8h00 au 9h00.